assalamu aleykum derɗiraɓe laaroɓe shéria diaygol min wiyete idisaidan to hande ni miyiɗe en volwa haala cinéma ha idili woni jonta min mi foti min wiya alhamdulillah gam en fuɗi sorrugo filme amin en fuɗi ñamugo riba filme amin seɗɗa seɗɗa to anda cinéma, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de, de, de, la culture amine. al-ada amin. Ya kemi do des film je sais que me one, il me tout le monde va dire ce qu'il pense dans sa tête mais alhamdulillah on n'a pas eu trop de problèmes à la critique ou la cour Surtout ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le Grand Nord. Le Grand Nord nous a vite accepté. Le Grand Nord accepte Film et ne Fulbe pas accepté. chacun était content que non, un tel film en, langue foufoudée. c'était magnifique. Alhamdulillah, Allah. on a d'abord un film euh, zara normalement d'abord normalement hande ɗo enen pat en mari dala jur en ɗo mari en ɗo waɗi bo en waɗi bo filme jur je warata ɓawo man ngam fu vurti on profiti be filme man to kam e tati on c'est un film qui m'a beaucoup coûté en termes de production de dvd des gros affiches en waɗi affiche kam mi 20 000 affiches, DVD, 30 000 DVD, Banimita Et c'est vrai que était censé que peut-être Azure était censé nous aider par rapport à la production de films, gagner des publicités, ma et moi des demandes des de aides, des sponsorises. bon, après, c'était un monsieur là qui, qui était en tête de ça bon après mi reeni mi reeni koye ɓay hunde ha mi dala e ɓay on ah comme on a déjà fait la publicité ça va mi na film man tan ni c'est comme ça que j'ai décidé à sortir ça parce que ça mi long himbe do ema joro on mi décidé mi vurtini film man mais un film qui m'a beaucoup coûté en termes de et en production, bon, c'était Zaidan 3. Zaidan 3, c'est un film qui m'a sauvagement coûté. Zaidan 3, on a dépensé, j'ai dépensé parce que dans les 2 millions et poussière je crois, oui. Parce que même les technologies de Underdome, les gars qui milieu ils faisaient ça 50 000 par jour. Et en plus, il y avait un contrat derrière ça. Parce qu'on avait beaucoup aussi musé dans le film des Aïdans 3. Là. Bon, ça y est, on voulait venir au nord, faire une gros, grande projection partout mais c'est pas comme je voulais. Le film mai vurta une mais qu'est-ce qu'il film, wane Après, j'ai laissé ça. Après, on a organisé encore un grand casting. Mais dans le calcul, de grand casting que il a dit, le dépense devait aller jusqu'à 10 millions. Mais dit non, non. Là, en Afrique, euh, surtout au Cameroun, mettre autant d'argent dans un film, franchement, me vie risque. Attendons mais Achi, mais Vurtish Saniman. Me vie, mais je vais tourner, mais je vais beaucoup me préparer à de zaidan towaɗo to allah on na je what me pete pete man me me non mi me mi vurtini imbe mi ratan set la tan gam c'était pas senti sorti me disais c'était censé rester dans le coffre parce que nana vais mi mais mais j'ai décidé de sortir. c'est pour ça qu'à la fin du zaidan 3 man on l'a zaidan 2.0 voilà ma man je ɗo man ɓuran je ɓe arti donc ɓuray voɗugo be ko c'est presque le même histoire voilà mais à zaidan 4 non c'est pourra pas le 4 c'est pas le 4 mais c'est 2.0 de il y aura un zaidan complet de a à z allah muy peut-être qui sait peut-être allah muy peut-être 2023 en wadam to yimɓeɗo emam jur mi waɗi fin mi tati ɓawo ɗona ko nayi mi vurtinai be langue fulɓe ɓe ɗemgal fulfulde wala ko waɗi bo mi vurtinai haala dal on mi fewintamon min yake mi waɗi jeme la femme marié on mi andi ceede ɗo nder cinéma yen eh, streaming ah, en france wuri tv ɓe hoosi ɓe resi pour tester, dit qu'il ne connaît pas le style de mon film là parce que j'ai un style là un peu spécial. Mais au faut, reste à YouTube d'abord là, kohim et nous matado. Au récit, mis à pan trois jours, là, on était plus à 500, 600 000 vues, je crois, comme ça. Mais les commentaires n'en parlons pas parce que Himbe. Nani bel film mais wani du ya tenun Deboda produit en 3-4 jours, donc ça produit plus de 600 000. C'est là où itiatun o learni ɗum ha streaming maako boto gonga o yoɓiyam ceede am pat bo chaque mois oɗo hokkam lokku mo mala sa varié de 150 120 000 160 000 20 000, 30 000, ça dépend au fait de ce que le film a produit par moi. Bah, quand je me levais à mon tour, le film ne vieillit pas. Et quand tu as un film, tu peux vivre 100 ans, tu vivres. Surtout si tu as la chance que Himbedoma streaming, streaming aussi. Bana, euh, j'aime la femme mariée après Fahim, Alibaba B, mon déjà pris. start Time aussi. mo andi startime novelas afrique ɗo kamɓe on hosi chaine may on ɓe soodi amma ɗo ɓe ɗo nder vidéo maɓɓe vidéo ala demande banni ɓe ɗo ewna donc ce qui fait que ko hattun moye fo ceede on ɗo tourna tum c'est ça qui est important avec le cinéma min saye may kanjum waɗi ɓan jokki am waati wi kay miɗo waɗa filme ɓe fulfulde min marata dala barka kam miɗo heɓa par ce que himɓe ɗo ewnam waɗinam barka tout ça amma dala bo nastata jooɗe am Mais bien après, ces derniers temps, il a certains différents. C'est comme si on n'est pas des Camerounais, c'est comme si on ne vit pas dans cette pays, mais vit quand coûte que coûte, moi, les films, je suis On vit to acci s'are s'are dami, gam tata s'are gam grâce dalila s'are may on mi woni mi yetti ha mi woni jontama en créi systéme ha euh, application am um, ɓeɗo huwa jonta pour faciliter la tâche et le problème ça prend trop de temps mais jusqu'à là to en waɗi filme même si on n'a pas fini de travailler ça j'aurai une, manière je en waɗata en vurtina filme gam komoye heɓa ɗo laara bo on soda on pour nous encourager à tourner d'autres films. C'est très important. Dans chaque émission, je volwa vous man ngam o annda bone je en ɗon Mon on bon mi resnai e mon séquence du film en pat mi resnai e mon banque d'annonce. annonce mi resnai e mon making of Hideko hidde ko en warta kana son wani ma Hello! Frida! Frida! Oh, suka kwa vile sala. Frida, jaba Allah. Chukula sawa shida de. J'arrive. Je parle avec. Mulher. Oui. Ça peut faire plus haut que ça. Eh, c'est bon Bon, c'est dans la boîte la boîte Non, pas moto, non. Vai, teu Zai. Vai. Tá de música. she fara kiran ni don ya yi deside ko su wasa da ko da she kira wanda maskara wai don maskara ka ba ni shi ba Yeah. <laughs> 不哭不闹，不生气。不哭不闹，不生气。你干？ tabbatar cewa farkanka ce har yanzu ta maka lafiya haka ya tabbatar cewa farkanka ce Ege fi ne. Ya mutum ne. Ka ba wasa ne. Fakik. Ka riga wanci ne nan. Alhaji Musa. Wallahi. To ga. a mugu dai wannan gajiya ne. Après le travail, après le mangement, après le mangement. Dak dara dawa da daka. Kada bawa gorkon joja le. Oh, anan ba anan anan. Ina juyawa tare. Ran ne zan cafi hannu. Wuta ta kone ta tarwatse kamar ke tarwatse na rayuwan. Ya ba za ki tsorata ba, ke ma ka kira kallo na haka. Ifo avoir peur, il faut être Jamil, ina tuna kai za ka ɗauki man Jamil, ina tuna. Sai Musa ke, yadda ku ba hausa asali ba da ku cewa abu bayawa ne. Ka san da yake da kuka taso, ku shi da ana san mu ba mata na kuwa ka ba, kun ka ka ba shi ku koma ba. Wone o tunash.

wannan bom irin bom ke na ka aure kawance idan ba a yi ne Kamu dah ada di depan sah. Waktu mana mungkin kita. Entraînez-vous, s'il vous plaît. C'est dans 3. c'est la Félicitations. Ça, c'est votre trophée. Mais notre trophée s'appelle définitivement peut-être que D'autres pourront changer plus tard, mais pour l'instant. Merci beaucoup. Émotion, fierté. Durant plusieurs années, ces jeunes passionnés et talentueux travaillent dur. Normal ne ba a lokacin tafiyan da zai ɓata daga Allah kwaranta scenario. Non, il ne figure pas. Il ne figure pas. Les oiseaux recherchent les problèmes. Oui, oui. Petit frère, tu as l'autorisation. Oui. Il y a le drapeau de l'Amérique, le de l'Américaine. Ah, ok. okay. Le tournage, votre rôle, et je vois avec les extraits des films que vous avez déjà eu à publier sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de. Ah oui, je suis comme ça, je suis simple, comme bonjour, ça va. Il y a aussi les rumeurs qui courent d'ailleurs, ça serait vous. Euh, la seule euh, star acteur du cinéma au Cameroun. Euh, Silence, director. Mr. Director. Ok. Oui. Comment te te masse, jalu c'est PD. Je suis pas Oui, non, ton destin. T'as dit, ton, ton père, qu'est-ce c'est à cause de moi qu'il a dit tu vas où la bière Si ma beauté t'empêche, la mort le fera. C'est lui la mort. La mort le fera. Regarde. Corona Coupez, Là, ah, derrière. Tu es de ring. Voilà. Oui, eh. Conté de Alibaba, un Africain qui était un jongleur. Ah. Et c'est le Cameroun qui gagne. Et c'est le Cameroun qui gagne. À nous les Alibaba. Alibaba, Alibaba, comment s'appelle celui-ci ah. Ouais, t'as dit que Cameroun Imagine Ça fait mal <laughs> Un grand héros, un grand héros de l'art du cinéma, voilà. Ouais, ouais, ouais, un grand héros. La le boxeur. Ouais, Serge John Belland, moi c'est moi. Voilà. Thank you, ça fait vraiment plaisir. On le, le on on continue. Oh, nous sommes au plateau de Ali Baba. Ali Baba. le futur champion du monde Wilson. Ali Baba, Ali Baba, comment s'appelle celui-ci Je suis acteur Simon Williams Scoom. L'honneur dans le plateau de alibaba aujourd'hui. Yo yo. 10 millions. Champion du boxe. On a l'obé Alibaba. Le yara oncle Oh, tu fais quoi, manga C'est parce que je pas. Le père, à l'autre là-bas, Elle a pris, elle a pris. Ce n'est pas le père, c'est la paix. Ali Baba, comment s'appelle tout simplement la même malin que tous les gars là. Oui. wayema aminu cascadere sodiraɓe am tan e banni a talaka gorkoma talaka ko on mi debbo du kanko becco duwam a seydina mi amma keddu am mukuri sedan kastaraku okay min bumi holliti mukuri sedan man kasasaraku maayo go wongo be ko woni nder maago to be ɗo lima rooɓe woɗɓe an a wonata nder maɓɓe yiddeli am ha yetti bannin na to amma yiide bumɗo to ai anna a bumɗo allah hokkima boɗirga bo yereɓinima gorko gam o dayda bot koy gorko fere naftori be am di fam famtungo am a anjeni onna mo ado ewna gorko gorko gorko am ɗo ay gam ceeri ma kono ayi di mo ay a hisni gendam an bo a wonni gendam am ahosata sata ceede manna, mi beddata zunuba dow zunuba mi yiɗi a seeram ide ma ñamnere on je ɗo haɓda torrugoyam o wi o yiɗayam bo datta meɗatta yiɗugoyam ni waɗugo yide be ngaydum nyamugo amana to ni amayi junta sey a yi mi wari ha saare ɗo banni a tan mi fawugo kujeji ma a dilla a moyinay suudu amariya mi moyintama suuduga nastina debbo nder ton oɗo juula amma ɓerdu maako ɗo ɓawi kurum to moftinani ɓandu hisan o wiya tabbatam yaaɗi yaware maako ɓeydi gesa be awdi ɓiran jaltorojo hande ɗo dowdowmiɗo nana kala ɗume banni wallahi bilal din na ji da hullan a cikin rubi mallu idi a ya sera debbo baba sare fahim sembe warata e terɗe nder ɓernde nde aynatake ummata miɗon laara catɗum jabtugo ɓernde debbo maako ɗo jagorɗo talakajo ko nde ñidduɗo wawa mi foti mi wiya ñidduɗo no ndaboa be ceede ɗum tegal lamgal na ko malla ɗum bordel ma ɓe haɓɓini amin tegal ha julurde komi famata kam gomna anda tegal ngal ase o wala tegal hey ko a larata kundugama ɗume sondu oɗo fottinami dendi ko am gomes waɗi enɗam jotta kam ɗo bolliɗe ɓernde on nami bombe sikka ase bama terroriste afamata famata nawɗum komi nani wakkati mi laari ɓinguel debbo miɗo taskita hallende je faɓɓi janggo miɗo mo be ceede ngam mi wala be debbo maako to o sali bo mi mbaramo to a mo min mbara debbo maako min bo ɗum sa'ama ragarere je yidugo balɗe maako mi yiɗi mi latta terroriste heɓa mi fettina bombo man mi yiɗima ɓuri ko woni nder duniya ɗo fuu ɓernde am hosama a anda innu marɗo yide foti hoyrana a bonnan yam gendam am a niyam. mi layɓan debbo ma ha yeeso ma nyalomare man tan may warugo toni miɗo yeeɗi yeeɗu kadi ha laara nyalomare waade ma baroɓe kafayi bareteɓe kafayi jonta famata fuɗɗam timmode ragare ngendam ma to jamaje mi tammini on laari secanji on laari banda nonzi mi tammini bo velina veli mon <laughs> fulfulde to allah muyi mi wawa boɗum boɗum boɗum mi andi boɗɗum mbiɗo wiya <laughs> bon na on laari bone be kugal je en waɗata ha dow film goɗo feere yerɓiniyam message o wiyam aɗo wiya tata ɓe ewna mon bambaɓe noye a yiɗi kadi en ewna mon na mi laakayma amma noye on ɓe foti ɓe ewna mon mi jaɓete jonta premier de chose a anda min dabord pa gamin yende mi waɗi vidéo mi ittai hoore am peut-être ha hundeko ha hunde on ɗo wiyama bambaɓe man mi ettai india mi joɗi banni tan mi joɗi shuru mais min je n'ai absolument rien. Donc, tu ne, donc, tu ne peux pas me comparer à un Bambado. Parce que je n'ai aucun espèce de lien avec Bambado. Je vais t'expliquer pourquoi. Aïe Gotel, je suis acteur de film. Je ne chante pas. De deux, je suis réalisateur. Trois, je suis producteur. Acteur, c'est une histoire vindi mi wara le rôle de, de, de l'acteur pour donner vie à histoire man ko a filmé ha film en ɗo waɗa ɗo pat parce ɓe windi histoire may on dit mi mais miɗo a tiré quoi? voilà de deux en tant que réalisateur c'est quand tu as le scénario to a jangi ha korema a andi haɗo caméra joɗata a andi haɗo eh, lumiére joɗata a vurta yaasi a laara nature noyi on gal toye caméra darata ayiɗi non leggal ɗo vurta ha image caméra ayiɗi non nange ɗo vurta gal ɗo ayiɗi noon mota ɗo sala gal ɓawo toni acteur ɗo vurta banni don tout les détail a sen travail pas possible là bas producteur bo kanko on resata ceede C'est-à-dire que si c'est pour louer les matériels, on risque au loi. Si c'est pour payer le restaurant, l'hôtel, les acteurs, le transport, c'est le producteur. Donc, diarion, a refusé de ma gamme. a heba bo ceede ma retour a heɓa ceede feere ha retour ayi jonta a foti a ewna sorra boutique na pas l'appeler. pourquoi parce qu'il a aucun espèce de lien avec bambaɗo ceede maako o dillata o sooda hebbina boutique o sorra bo gam o heɓa riba na la na na fauteuil wana tu mets ton argent pour gagner ton argent après mon frère toni bogodo à télé on no via mobambari ça veut dire que que ça soit les journalistes euh, les footballeurs les politiciens même les présidents même tous sont les bambabi apprenez à faire la différence Les do wodi be parfois c'est en foot be do manama tu fais partie des bambado ça veut dire que tous les politiciens qui c'est ça De deux, voilà la différence. Il y a ce qu'on appelle torobe be bambabe. toroɓe do kamɓe on bambaɓe donc quand on manama a itta de ahokamo, Kugalma on kanko fuu a fotai à la kamo parce que c'est son travail c'est pas facile à wara a shirya mo mo a Quand on kanko Torobe kanko mbambaɗo gam kanko torowo min bo mi mi dari mi emi mo e dala gotel et si c'est parce que je suis artiste créateur de, de, de, de, cinéma ou des choses c'est que sache alors que tous ceux qui sont dans l'amour ou tous les personnes qui sont à la télé sont aussi des bambabes de deux bon même les musiciens chanteurs on a des bambabes man en ce que moi je sache mais dilla et dari do tora himɓe an onon on yimɓe on hokka ɓe ceede useni manam ewnu inde o o ewnu hinde o ewnu inde o ko kamɓe may fuu ɓe fotai ɓe ewna ɓe bambaɓe mi sikki fo kati ɓeɗo dilla maria ɓeɗo dilla indeeri ɓeɗo wara gam ɓe ani, ami, anima soire mon to oɗo yima aɗo nana belɗum aɗo waɗinamo biki na an yiɗi a waɗinimo biki o torayma dole a umma hokka mo dala tu vois kanjum on yiɗi on waɗa différence maintenant yimɓe ɗo wiya jurno moɗo yima pat bambaɗo on bambaɗo kam c'est le mot toroɓe che ça be hausa parfois ɓeɗo wiya hausa un peu complet pourquoi parce que be hausa ɓeɗo wiya maroki babambaɗeni donc toro kanko on bambaɗo kanko on ala aɗo sala laaɗo ho ɓinguel wayne jiiɓoye wayne ho ɓinguel wayne bebe wayne useni hokkam je kuroriya ton wala tout le travail des artistes a yoɓa mo wara to nani belɗum a a hokka mo hunde feere an fu gam o welima a hokka mo o torayma hokkimo on par ce que tu veux ɗum min a fottay ko ha nder ɗewɗi tu me mélange dans sa don a a hawran be way be bambaɗo ave non mi torata nana toro min nana torowo donc enlevé itte moma na hunduko mon ma on ɗo sabotage on on fewi ok mi tammini to aɗo laran bo a hosi ko anani jawabu haala man bana miɗo encourage a de réalisateur no local je mi andi gal grand nord o ɓeɗo waɗa no filme tout ça même mi laray jur mais ami andi jonta c'est comme si ɓe tournata fayin donc useni waɗe retour mon supporter ton tourner un jour ça va changer en e e e ɗo laara nigeria nigéria hausa en ɗo ɗo fottinamin enen bo gam ɗume en accata min andi jul acci gam e sodata original gam to ɓeɗo soda original bo wala mo accata on va continuer jonta onon laaroɓe mi andi filme amin ɗo fottinama be ɗemgal fulfulde ɗo ɗo fottina mon ɗo vela mon on mi aro de l'argent pour comme plus encore toni acce emugo emugo filme ende feere ɓingel gorko feere emi am film mi wimo ok aɗo mari télégram na o wiyam e o dilli o virti ama a télégram mi wimo ok monkete lamba je mo yerɓatama film amma boro on show vindinama wi waya en tout cas saba miɗo numa mere on kakay kay kay kakay hunde ɗo naawiyam en quelque seconde chemi laari bana ko mi waɗi a wiyam ɗo fuu hunde mere on o wiyam min miɗo ɗuma mere on emi laari bo bo c' e quelqu'un de valable ɗo ɓorni guesnere oɗo de moto maako ɗo dari amma ɗumi donc ayi mille franc jo sodata ɗo wiyam kanko kaw ɗo ɗuma mere donc an fo to mi hokkima filme may mere hulatamana hulnatamana a laari kese honnête hunde may naawi yam e jonta je sais pas to aɗo huwa hunde an fu ɓe foti to aɗo mana bouti ɓe wari ɓe foti ɓe nasta bouti ma ɓe hokkam useni hunde ɗo n'importe quoi ko biscuit mere a hokkanna mere o wiyama mere mi yiɗi a hokkam mere mon frère ko ayiɗa ɓe waɗinama ta waɗono goɗɗo feere ceede on ɗo rufa waɗugo filme ɗo ha vango ceede hoore ɗo huwa ɓandu ɗo huwa juuɗe ɗo huwa c'est même plus dur que la boutique aɗo soro boutique ɗo tan c'est l'un des travaux le plus difficile parce que c'est un travail de calcul. Quand on pétales, ça peut échouer. Quand on l'arrête fait, film fait, on lara je ne c'est pas facile. c'est pas facile. Mais acce kanjum miɗo wañi goɗo ewna seni miɗo yerɓinan vidéoji ma ley viune seni miɗi mi soda vidéo ma c'est à faute à soda parce qu'on peut pas acheter de l'art mais à faute ya loi donc mais au moins que useni hier binamle moi ina mandepo voilà ça c'est valable c'est honnête an fois an di non kugal oɗo waɗa kanko fu ceede oɗo resa oɗo mari famille oɗo mari ambition mi fotai mo ema mo banni mere miɗo volwa ɗo jur gam en fama on gam ɗo nawan bo wala to woodi message amma wakkati wala mi mi janga message komi fo mi wiya kam yetti mi yetti woodi susiji feere a marata ha ma parfois yiɗi a volwina goɗɗo amma ɗo hula tata secret ma vurta yaasi amma bo wodi hunde feere ɗum nawama ha nder ɓernde wallahi mi autorise ma foti a volwinam mi foti bo mi vallama tomi foti mi vallama voilà amma to allah muyi haala komi wi jonta ɗuma warta yende ha e chiria feere en volwama haala man complet haala probléme ji goɗo ɗomara parfois ayiɗi a sawta a sankita ayiɗi a volwina goɗɗo annda no awaɗata a dulla gendam a dulla en volwa haala may complet ɗum on ɗo wadda kanjum bo to a volwini goɗɗo foti aidama to Eh, mi yettimon mi yetti laaroɓe shiria jayngol pat min wiyete idi zaidan chaine am youtube may inde idi zaidan facebook am man ma inde idi zaidan tiktok am ma inde idi zaidan to to allah muy ha feng ɗon laaray lamba je on ewnata je on waɗa windata ha whatsapp mi yettimon mi yetti laaroɓe shiria jayngol